le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous journalier de forum du studio Kalangu diffusé chaque jour en direct par une trentaine de radios partenaires couvrant toutes les régions du pays. Comme vous le savez, le studio Kalangu invite pour vous chaque jour des spécialistes et autres personnes ressources qui viennent répondre aux multiples questions d'actualité et de société que vous vous posez régulièrement dans le respect mutuel. Aujourd'hui, nous abordons le classement du PNUD sur l'indice de développement humain IDH, comment expliquer le rang du Niger et les leçons à tirer. Le Niger vient en effet à nouveau d'être classé dernier pays de la planète dans le rapport du programme des Nations Unies pour le développement PNUD publié le 14 septembre 2018 traitant des données de l'année 2017 avec une valeur d'indice égale à 0,354. Le Niger ne défend donc, aucun pays du monde dans ce classement qui traite des conditions de vie des populations. Que signifie l'indice de développement humain IDH Quelle est son utilité et pour qui est-il important quels sont les critères utilisés par le PNUD pour le calcul de l'IDH, comment se fait le calcul, qu'est-ce qui explique ce mauvais rang du Niger depuis trois décennies, tantôt dernier, tantôt avant-dernier, quel est le lien entre l'IDH et les politiques de développement d'un gouvernement Quelles leçons faut-il en tirer pour des meilleures perspectives à venir Est-il possible d'avoir un classement plus honorable que faut-il faire pour y arriver Ce sont là quelques questions auxquelles nous tenterons d'apporter des éléments de réponse avec nos invités. Il s'agit de l'économiste Sherif Chakou, ancien ministre, actuellement enseignant-chercheur à l'université. Bonsoir. Bonsoir. Mohamed Alaji Amadou, enseignant et coordonnateur de l'Observatoire pour la promotion de l'éducation au Niger, OPEN. Bonsoir, coordonnateur. Bonsoir. Et Madame Issa Rabiou, acteur de la société civile chargée de programme au CODAE, le collectif pour la défense du droit à l'énergie. Madame Issa Rabiou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. À la présentation, vous avez Michel Dégis. Pour commencer, Chérif Chako, économiste, euh, définissez-nous l'indice de développement humain IDH. Oui, l'indice de développement humain, merci d'abord de nous avoir invités à ce moment où les débats sont extrêmement importants et souvent passionnés, passionnels euh, sur le classement. Mais moi, je vais aller au-delà du classement pour pouvoir dire que l'indice du développement humain, mm. c'est un indicateur, un indicateur sur le bien-être recherché et par les économistes depuis 1990. Mm-hmm. Avant cette date, pour pouvoir faire les comparaisons, on se sert du rapport sur le développement dans le monde, c'est-à-dire publié par la Banque mondiale. Et le rapport sur le développement dans le monde donnait plutôt une version de richesse ou de valeur de classement par rapport aux revenus. Mais cette fois-ci, l'indice de développement humain, c'est un indice composite. Qu'est-ce que ça voudrait dire C'est-à-dire qu'il a plusieurs composantes mhm. et les statisticiens essaye de trouver une moyenne, un chiffre qui va donner la moyenne de ces trois composantes. Et alors, ces trois composantes, quelles sont ces trois composantes D'abord, il y a la santé. Et il y a l'éducation ou l'instruction. Mm. La deuxième composante. Et naturellement, le revenu. Mais le revenu, les économistes le savent, on le mesure par rapport à une notion de parité de pouvoir d'achat. Mais tout ceci pour pouvoir dire, en 2000 ou en 1990, bien avant, il y avait deux économistes, Olhak et surtout Amartya Sen, qui est prix Nobel d'économie en 98, 1998, et qui est, je dirais, l'auteur de l'indice de développement humain. Alors, la question suivante, pour bien comprendre la définition de l'indice de développement humain, c'est un indice composite, que ces trois composantes, comme je l'ai dit, c'était la suivante. Qu'est-ce qu'une vie décente mm-hmm. Quelqu'un qui a une vie décente, elle vit longtemps et en bonne santé. Quelqu'un qui a une vie décente, il a un niveau d'instruction qui lui permet d'améliorer son bien-être par rapport à la santé qu'il avait eue. Mais par exemple, quelqu'un qui vit longtemps et euh, pas en bonne santé, il sera une charge pour lui et une charge pour sa famille. Mais quelqu'un qui vit en bonne santé, avec une éducation, il peut créer des valeurs. Et enfin, le troisième aspect, c'est le revenu. Mais je ne veux pas dire la richesse. Mais le revenu pour Amartya Sen, c'est pour pouvoir améliorer l'humain. C'est l'indice de développement humain et non l'indice de développement des richesses. Alors, moi, je dois dire, je suis maintenant dans un mouvement de finances bibliques, c'est-à-dire les finances selon Dieu. Mm-hmm. Et les valeurs selon Dieu, la première valeur, c'est l'homme. Et même l'économiste, les, les autres sciences vous diront, la première valeur, c'est l'homme. La deuxième valeur, c'est l'immobilier. La troisième valeur, c'est l'agriculture. La quatrième valeur, c'est l'entreprise. Et la cinquième valeur, c'est l'argent. Ça, c'est comment améliorer l'indice de eh, développement. Non, on, va, on, arriver comment améliorer l'indice de développement humain. Mm. S'il faut améliorer l'indice de développement... On va arriver à ah, cela. Pour le moment, c'est euh, donc... il euh, faut améliorer les trois composantes. il faut euh, améliorer la santé. Il mm. faut améliorer l'éducation mais pas n'importe quelle éducation. Nous allons arriver à cela. Donc, euh, c'était donc euh, les critères. Vous avez évoqué la santé, l'éducation, l'instruction, mais aussi le revenu. On parle aussi de l'espérance de vie dans le rapport. Non, je, voudrais dire, euh, qu'est-ce qui peut symboliser une longue vie et en bonne santé C'est l'espérance de vie. Mhm. Et qu'est-ce qui peut signifier l'éducation. Au début, c'était euh, les, les taux bruts de scolarisation, mais maintenant, c'est le nombre d'années mhm. que les gens vivent vraiment un système éducatif. On va en revenir par là. Mhm. Maintenant, qu'est-ce qui symbolise le revenu C'est le revenu par habitant, mais calculé selon la parité des pouvoirs d'achat. Qu'est-ce que ça voudrait dire euh, Le 100 euh, 000 francs dépensés à Tegué dans la région de euh, Tilaberi n'est pas 100 000 euh, dépensés à New York. Mm-hmm. C'est-à-dire avec les 100 000, vous ne pouvez pas avoir les mêmes biens à New York et à Tegué ou bien à Tirozerine ou à Certains biens peuvent même être inaccessibles, même avec. Oui, euh, mais on va, on va, euh, ben, on va, aborder, on va aborder certains aspects techniques. Euh, le rapport présente une valeur d'indice égale à 0,354 pour le Niger. On hmm. constate bien une légère hausse par rapport à l'année passée où le Niger était avant-dernier. Que signifient ces chiffres qui vont de 0 à 1 et comment sont-ils calculés? Oui, mais c'est la valeur des la moyenne de ces indices, en réalité, c'est l'indice des moyennes. On, on, fait le taux ou bien la valeur de chaque composante concernant l'espérance de vie à la naissance, c'est-à-dire la longévité, mhm. euh, qui exprime la longévité. Et maintenant, pour l'éducation aussi, on calcule l'indice et pour le revenu, on calcule l'indice. Maintenant, on synthétise cela pour pouvoir avoir une valeur comprise entre 0 et 1. Mhm. Alors, à un certain moment donné, euh, on donnait une valeur pour laquelle on ne peut pas descendre et une valeur pour laquelle on ne peut pas dépasser. Maintenant, à partir de cela, on classifie les pays. Malami Rabiou, acteur de la société civile chargé de programme, à Kodae, quelle analyse vous suscite ce rang de dernier, à nouveau occupé par le Niger, derrière donc euh, tous les pays du monde, y compris ceux qui sont en guerre depuis des années, comme la Centrafrique ou le Mali, qui a perdu une partie de son territoire nous remercions le studio Kalangu pour nous avoir donné cette possibilité de faire un commentaire sur euh, les performances du Niger à, travers l'IDH. Donc, pour nous, euh, ce rang peu honorable qu'occupe le Niger du dernier pays de la planète, donc ce n'est pas une surprise au vu euh, de toutes euh, les réalisations qui sont faites, qui, qui ne vont pas réellement dans les secteurs sociaux de base et qui sont très utiles dans le calcul de l'IDH. Ces dernières années, l'État a pratiquement cessé d'investir dans, dans, le domaine de la santé. La population augmente mais le nombre de médecins par habitant, il diminue puisqu'il n'y a pas eu de recrutement et que la population a augmenté. Le nombre d'infirmiers par habitant, tout ça, ces chiffres-là vont diminuer. Pourquoi Parce que la population a augmenté et il n'y a pas eu de recrutement. Donc, les formations sanitaires, l'État ne construit pratiquement pas ces trois dernières années. Dans le domaine de l'éducation, c'est plus. Euh, l'État ne recrute plus. C'est des contractuels et même qui sont euh, perpétuellement menacés. À tout moment, on esquilie. Ce qui fait que le taux de couverture en éducation aussi, ça ne peut que diminuer. Donc, du coup, quand on dit que le Niger est le dernier pays de la planète, il n'y a aucune surprise pour nous, puisque on a attiré l'attention des dirigeants depuis voilà les secteurs là où il faut investir, mais les dirigeants préfèrent investir dans d'autres secteurs. Vous avez pensé que cela allait être pire que dans tous les autres pays du monde Bien sûr que oui, puisque les autres pays du monde, même étant en guerre, même eh, la moitié du pays étant dans les mains des bandits armés, quand même, ils ont puis investir dans les secteurs sociaux de base. C'est pourquoi ils ont amélioré leurs performances dans ces secteurs sociaux qui sont la santé, l'éducation, qui représentent 60% ou plus de 60% dans le calcul de l'IDH. Le bien-être ou, la longévité et après, mais quand même le secteur de l'éducation et de la santé, à eux seuls, constituent à plus de 60% dans le calcul de l'IDH. Donc, si un pays recule dans ce secteur, il ne peut être que dernier. Mohamed Alaji Amadou, coordonnateur de l'Observatoire pour la promotion de l'éducation au Niger euh, Open. Nous voyons bien que l'éducation pèse à ce niveau. En tant qu'acteur de l'éducation, quelle lecture euh, vous a suscité ce nouveau classement euh, Je vous remercie pour cette opportunité. effectivement, le débat aujourd'hui est un peu à la mode euh, depuis la publication de cet IDH. Et vous avez eu l'opportunité, et tout le monde d'ailleurs, tous les Nigériens ont eu cette opportunité de comprendre que dans euh, le calcul de cet IDH, euh, l'éducation prend une belle part. Je dis une belle part en ce sens que vous avez deux éléments qui interviennent en ligne de compte. D'abord, euh, le fait que les, le premier aspect à retenir, c'est la capacité du système éducatif à euh, garder le plus longtemps euh, les enfants qui y entrent. Et euh, ce qui donne euh, aussi à la sortie la durée de scolarité que les enfants euh, passent à l'intérieur de notre système éducatif. Et c'est là que toute l'interrogation revient, puisque rien que en faisant la sommation des derniers examens euh, scolaires, que ce soit le BEPC et le baccalauréat, euh, vous avez également vu à quel niveau euh, de réussite se situent les enfants de ce pays. Donc, l'IDH doit être à la fois une incitation pour tous de travailler à renforcer les secteurs clés, santé, éducation, et comme l'a dit donc le euh, euh, docteur tout à l'heure, il y a également l'aspect euh, revenu. Et quand on parle de revenu, naturellement, c'est tout ce qui est élément de croissance mhm. qu'il faut voir. Donc notre lecture <clears throat> au niveau de l'observatoire, c'est de considérer que l'indice nous renvoie à euh, revoir toute la copie au niveau du secteur du système éducatif, du préscolaire jusqu'à l'université. Parce que qu'est-ce qui se passe C'est que au-delà de toutes les réformes qui sont en train d'être mises en place, au-delà des aspects souvent euh, économiques qu'il faut voir par rapport à, à l'éducation, que ce soit en investissement, dans les infrastructures, un investissement dans les salaires, etc. Il y a euh, <clears throat> un aspect très important, c'est l'aspect évaluation. Est-ce que notre système éducatif évalue bien C'est l'interrogation vraiment. Quand vous regardez la façon dont, euh, de façon un peu euh, ironique si on peut le dire, la façon dont un enseignant peut venir dire que j'ai 60 élèves, j'ai fait un, devoir et sur mes 60 élèves, tous ont eu zéro ou bien tous ont eu moins de la moyenne. Alors, il faut se demander à quel niveau on se situe. Est-ce que c'est le niveau de l'enfant, de l'élève, de l'apprenant, ou bien le niveau du pédagogue, de l'enseignant, c'est-à-dire celui qui devrait amener effectivement ceux qui sont euh, à un niveau bas, les amener vers le haut ou bien à quel niveau on se situe. Nous allons revenir donc à cela par rapport aux solutions qu'il faut euh, préconiser. Monsieur l'économiste, euh, qu'est-ce qui explique le mauvais rang On l'a abordé tantôt dernier, tantôt avant-dernier, depuis près d'une trentaine d'années. Ça ne date pas d'aujourd'hui quand même. je dois dire que avant, le Niger avait occupé des rangs qui n'étaient pas derniers ou avant-derniers. J'entends souvent les gens dire non, on a toujours été dernier ou avant-dernier. On ne sait, pas, il ne s'est pas trop démarqué en fait, c'est ce qu'on veut dire. Mais on est parmi les derniers. Mhm, Vous savez, quand j'avais dit en 90 euh, ce que les autres euh, amis ont dit, c'est très pertinent. En réalité, il faut aller au-delà du classement pour voir le contenu de ce que les uns et les autres classent. Si je prends la suite du dernier intervenant. Vous savez, en éducation, il y a deux aspects d'efficacité. Il y a l'efficacité interne et l'efficacité externe. L'efficacité interne, ça mesure tout simplement le nombre de diplômés qu'on avait eu, etc les gens qui ont eu la moyenne et qui n'en ont pas eu la moyenne. Mais l'efficacité externe, c'est la capacité des diplômés, des produits formés à être sur le marché de l'emploi ou bien être sur la production. Euh, aujourd'hui, les derniers résultats du baccalauréat de plus en plus, on a moins de scientifiques. Vous prenez la série C, on a moins de bacheliers techniques. Mais on a beaucoup plus de bacheliers. Est-ce qu'il y a un impact euh? Ça a un impact. ça a un impact. J'ai vu dans les réseaux sociaux, le WhatsApp, mes étudiants m'ont envoyé un Chinois qui disait en quoi est-ce que un professeur titulaire agrégé en grammaire française va euh, changer la situation du paysan togolais. En quoi Il faut que l'éducation soit en rapport avec les besoins, et l'économie rurale ou bien euh, rurale pour notre pays et c'est de ça qu'il s'agit. Moi, quand j'étais dans le gouvernement, on a en 1998, adopté la Lausanne. En ce temps, il n'y a aucun lycée agricole. Donc, nous sommes en train de mentir à nous-mêmes. Il devrait y avoir des lycées agricoles, des lycées artisanaux, des lycées de ceci et de et des lycées techniques, technologiques, beaucoup plus. Et vous allez voir comment la situation du pays va changer. C'est de ça que Sen, Amartya Sen, pense, et non avoir un résultat d'éducation interne. C'est la même chose pour la santé. Si vous créez beaucoup d'hôpitaux, comme si vous faites beaucoup de classes, c'est bien. Mais euh, si vous donnez des salaires aux enseignants à tous les niveaux, primaire jusqu'à l'université, c'est bien. Mais quel contenu, quel programme on a adopté et est-ce que les apprenants disposent d'assez de matériel pour pouvoir affronter la vie réelle. C'est de ça qu'il s'agit. Quel type de, curricula on offre Quel type d'enseignement on offre Mais vous pouvez accroître le salaire. Vous pouvez, il faut, il faut d'abord le faire. Mais quand ils n'ont pas même un minimum pour pouvoir enseigner, même s'il y a un curricula. Donc, il faut cette triptyque pour pouvoir avancer. Donc, pourquoi notre résultat, on est peu performant C'est parce qu'on est peu performant dans les trois composantes, aussi de, en efficacité externe de l'éducation. Et je dis en efficacité externe en éducation, parce que même l'IDH, il peut être amélioré la durée, si on dure en apprenant des broutilles, excusez-moi de l'expression, euh, à quoi vaut cette durée dans euh, dans un système éducatif. Qu'est-ce qu'on apprend Chaque fois, on voit d'ailleurs que l'indice évolue. On a par exemple 0,354 euh, contre 0,353 l'année passée, 0,348 en 2015 et 0,345 en 2014, soit une progression euh, qui continue de 2015 jusqu'à 2018, mais c'est le classement, on a l'impression. Qu'est-ce que cela signifie oui, mais euh, pendant que nous nous évoluons, d'autres aussi évoluent. Mm. Pourquoi vous voulez que d'autres restent stationnaires et, et euh, comparer euh, cette question de... J'entends beaucoup cette question. Nous, on a beaucoup évolué. C'est bien. Mm. Mais est-ce qu'on ne doit pas beaucoup évoluer Est-ce qu'on ne peut pas plus évoluer que chose qu'on a évolué C'est ça la question. Est-ce qu'on se mm-hmm. contente de dire que nous sommes euh, parmi les pays qui ont le plus évolué, mais qui ont le plus évolué et on reste encore dernier. On n'était pas dernier, on était peut-être avant-dernier, mais quand on évolue, cette évolution n'est pas assez, n'est pas très significative. Mhm. Il faudrait euh, se poser des questions. Pourquoi et c'est surtout le pourquoi. C'est pour cela que je dis, il faut aller au-delà des classements pour pouvoir avoir une euh, introspection à nous-mêmes, nous revoir nous-mêmes, non pas par rapport au classement. Nous, on a 0,354. Euh, euh, mais le premier, si je vous dis la Norvège, la Norvège. a 0,953. Elle a 0,953. La Suisse a 0,944. On vit sur la même planète. Les gens vont dire on ne peut pas nous comparer, etc. On voit qu'il y a ensuite l'Australie, il y a également l'Irlande, l'Allemagne. Pourquoi des pays comme les États-Unis ou la France euh, ne se retrouve pas en tête euh, en ce qui concerne ce classement, puisqu'on espère. Oui, euh, mais parce que c'est le niveau du développement humain, le bien-être et non le revenu. Euh, pourquoi, pourquoi certains pays arabes ne sont pas classés premiers et certains pays du Moyen-Orient, je voudrais pas en citer, mais pourquoi ils ne sont pas classés premiers Parce que c'est illusoire de croire que c'est l'argent en tant que tel qui fait le développement humain. Mm. C'est l'utilisation de l'argent, l'efficacité avec laquelle on utilise les ressources financières pour développer les aspects humains, le capital humain. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que mes deux collègues ont rappelé on a pris la référence, donc on a dit il y a trois décennies environ, c'est parce que selon l'INS, euh, l'IDH du Niger était en 1990 nettement plus faible que celui de tous les autres pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'était 0,212 euh, et ça a beaucoup évolué pour aller justement vers... mais où alors... Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là mhm. euh, Mais on a évolué et c'est bien qu'on évolue. On va pas contester qu'on ait évolué, mais on peut évoluer plus. Maintenant, la question, et ça, c'est pas l'INES. Est-ce que vous avez un cas d'évolution significative que vous pouvez nous expliquer Non, euh, vous savez, moi, je je m'intéresse pas à l'évolution significative, pas peut-être plus que le classement. Mm-hmm. Mais c'est pourquoi nous sommes classés. C'est ça qui m'intéresse. Mm-hmm. Nous avons les autres acteurs euh, en ce qui concerne euh, donc euh, le lien entre l'IDH et les politiques de développement des gouvernements qui se sont succédés jusqu'à nos jours. quelle lecture, coordonnateur de Open Je voudrais bien commencer par demander j'ai combien de minutes parce que tout à l'heure, vraiment, vous m'avez presque coupé sur la lancée. Dites l'essentiel, en fait, de euh, ben, ce que vous avez à dire. C'est toujours important. Alors, rappelez votre question. C'est de nous dire, selon vous, quel est le lien qui existe entre les politiques de développement des gouvernements qui se sont succédés jusqu'à nos jours euh, et l'IDH. On vous dit que l'IDH, on a commencé à en parler à partir de 1990. Mmh. Et nous sommes aujourd'hui en 2018. Alors s'il faut faire une lecture de toutes les politiques, euh, vous voyez bien que nous avons eu combien de gouvernements de 90 à aujourd'hui. Mhm. Et également, euh, à quoi ça va rimer euh, de vouloir comparer le régime de tel président mhm. avec celui de tel autre, alors que le contexte de chaque de chacun de ces présidents est complètement différent. Quand vous prenez le cas du président Ali et, le président actuel, vous avez deux contextes complètement différents. Il ne s'agit pas de comparer, mais euh, au niveau de tous les acteurs, pas seulement. Quelle lecture je fais mhm. Quelle lecture je fais de toutes les politiques de développement mhm. des de, différents régimes mhm. Donc, je ne peux que les comparer. Or, l'important, je pense, que nous sommes dans une situation où on a un indicateur qui peut nous permettre de nous situer sur la marche du monde, d'une part, mais également sur la gouvernance que nous avons au sein de notre euh, espace territorial. Est-ce que ce que nous faisons jusque-là est bon Juste ça, ça va être le, l'IDH est un rétroviseur pour nous. Il doit nous guider, il doit nous permettre de, de, de nous ajuster est-ce que vous pensez que le lien a juste trait à la gouvernance euh, Il n'y a pas d'autre aspect qui a lieu de prendre en compte à ce niveau Quand on parle de gouvernance, moi, à mon sens, hein, mm. euh, c'est le tout. Donc, euh, il n'y a pas d'autre. Tous tout le développement est, sous-tendu par la gouvernance qu'on met en place. Il y a l'aspect alphabétisation, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas une contribution de la, population, par exemple La gouvernance. J'ai dit que c'est l'ensemble. Hein? c'est tous les, pans euh, du pays. Et au moins, vous avez plusieurs systèmes. Vous avez le système éducatif, vous avez le système économique, le système de la santé, etc. etc. Maintenant, quand vous voulez que je me prononce exclusivement sur le problème de l'éducation, ou bien sur l'aspect éducatif, il n'y a pas de problème. En lien avec euh, euh, cet IDH, c'est la place que nous avons. Est-ce que maintenant, qu'est-ce que nous devrons faire pour faire en sorte que nous améliorons considérablement, de façon significative, comme vous le dites. Et que peut-être en 2000, euh, si on va prendre euh, les, les, les, différents critères de 2018, que peut-être en 2019, nous puissions faire un bond euh, en haut pour devenir, je ne sais, plus, peut-être 170e ou tout ce qu'on veut. Maintenant, l'alphabétisation, puisque vous avez voulu qu'on parle de l'alphabétisation, l'alphabétisation n'est plus euh, considérée comme élément de calcul. Mais puisque l'éducation, euh, l'alphabétisation fait partie du système éducatif, et l'alphabétisation concerne les adultes. Vous voyez Donc, euh, il est clair que on considère que de plus en plus, plus les adultes sont instruits, ont eu une instruction ou ont été alphabétisés, mieux ils s'occupent de l'éducation de leurs enfants. Vous voyez donc, on, part d'un point pour revenir au même point, puisque l'éducation devrait être, euh, euh, euh, devrait avoir comme support un ensemble de lettres, un ensemble lettré qui puisse permettre à l'enfant de pouvoir évoluer dans le système, avoir, avoir éventuellement ce que nous avons, ce que le docteur a dit tout à l'heure, il ne s'agit pas peut-être de garder l'enfant dans le système éducatif, même si vous le gardez 20 ans dans le système éducatif, s'il ne devrait pas être à la fin productif, c'est que on n'aura pas gagné également. Mm-hmm. Donc, pour l'instant, l'IDH devrait considérer l'ensemble du, le système éducatif au point de vue de qu'est-ce que nous mettons en œuvre dans le cadre de l'éducation des enfants, mais également quelle est la durée que ces enfants passent dans le système. Or, quand on regarde, c'est qu'ils ne durent pas longtemps. Et pour plusieurs raisons. Et pour toutes ces raisons, effectivement, c'est que nous allons finir par avoir des adultes analphabètes. Et s'ils sont analphabètes, en fait, on retourne à ce que nous a dit tout à l'heure le, monsieur le ministre, c'est que, en fait, vous n'aurez plus un adulte responsable qui va vivre en bonne santé, qui va donc être productif longtemps et il va devenir une charge pour, euh, pour, la société. Élément important. Un autre élément, c'est que quand nous regardons euh, l'aspect rétention des enfants dans le système, c'est pour éviter que nous ayons toutes ces situations de, euh, de migration, d'exode, de, délinquance, etc. autour de, des enfants jusqu'à un certain, euh, un certain âge. parce que dans le cas où vous renvoyez très vite les enfants dans la rue, c'est que vous allez avoir à un moment donné des jeunes, des adolescents, des adultes qui euh, ont tendance à tout ce qui est contre-valeurs, si on peut, mm. les dire euh, comme ça. Donc, nous, nous considérons que l'IDH devrait permettre à notre pays, non pas d'avoir une polémique, non pas de vouloir justifier que à un moment donné, on a, en 1990, euh, on avait 0,200 et aujourd'hui, on a, on a évolué. Non. C'est de nous dire, en toute responsabilité, qu'est-ce que nous devrons faire c'était ça, c'était ça d'ailleurs la question, c'est de dire les leçons qu'on peut tirer de 90 à aujourd'hui, de tout ce temps passé, et ensuite euh, votre mot, comment euh, vous pensez qu'on peut apporter des solutions idoines pour terminer, puisque nous sommes pratiquement vers la fin de ce forum. Je pense qu'il faut commencer vraiment à revoir un peu le système euh, dans son ensemble. Mhm. Monsieur le ministre a dit tout à l'heure qu'en 1998, il était au gouvernement et c'est en 98 qu'on a eu notre première loi sur euh, l'orientation du système éducatif. En 1998, quand on a adopté la loi, on a dit que son article 170, si je ne m'abuse, disait qu'il faut la réviser trois ans après. Mm. De 98 à aujourd'hui, cette loi n'a jamais connu de révision. Or, notre pays n'est plus en 1998 il a suffisamment évolué pour que on, on revise cette loi et l'adapter au contexte actuel de façon à ce que, par exemple, des, des, préoccupations qu'il a soulevées, on n'a pas de lycée agricole à un moment donné. Maintenant, c'est presque certains privés qui le font. Moi, j'ai vu un lycée privé qui, qui fait. Oui, donc c'est maintenant qu'on commence à, le faire. Vous voyez, c'est maintenant qu'on met en place des, des, centres de formation, et, y compris dans les communes, des centres de formation en métier, des centres de formation en agriculture, des centres de formation artistique ou des centres de formation il faut accélérer, en sport, il faut accélérer, il faut accélérer tous ces éléments mhm. qui se tiennent à travers naturellement une loi qui est révisée. Parce que sinon, même, euh, euh, euh, même la façon de, prendre l'ensemble du, du système, c'est encore, vous avez presque des pans différents alors que ça devrait être du bas en haut, ça devrait se tenir. Or, aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe. Donc, ce que nous pensons, tous ensemble, on doit se euh, faire sa propre, son propre mea culpa, revoir ce qu'il faut revoir de façon à ce que le pays puisse avancer. Mais on aura beau continuer à faire des réformes euh, euh, ailleurs que dans l'essentiel, on va encore rester euh, à la case de départ. Et l'année prochaine encore, on va revenir faire le même type de débat. Commençons d'abord par revoir notre loi qui organise, qui structure, qui oriente le système éducatif pour que euh, euh, nous puissions espérer faire les progrès qui sont attendus de notre pays et qui puissent lui permettre de se replacer en bonne position dans le concert des nations. Merci. Malamissa Issa Rabiou, acteur de la société civile, il faut donc que chaque euh, citoyen agisse euh, à ce niveau. Et selon vous, quel doit être euh, le rôle de chaque acteur le rôle de la société civile, c'est d'alerter les dirigeants. Et elle l'a fait. Elle a insisté pendant toute l'année à revoir les trains de vue de l'État. Ça, ça a un coût il suffit, même si on n'a pas besoin de faire de très longs calculs, il suffisait seulement de faire un gouvernement raisonnable, une vingtaine de ministres, le nombre de conseillers avec rang de ministre à la présidence réduire, les chargés de mission à la présidence, au cabinet du Premier ministre, au cabinet du président de l'Assemblée, tout ça c'est des coûts inutiles pour le pays que, pour lequel des, centaines de millions sont dépensés chaque mois. Ça, c'est à court terme mais à long terme. Non, mais, il faut résoudre le court terme. Si on veut que en 2019, l'IDH 2018 du Niger change, voilà là où il faut agir. Il faut écouter la société civile, ce qu'elle dit. Et au niveau de la, au niveau de la population. penser à la gouvernance du pays d'une manière générale. Mhm. Merci. Ça, c'est la gouvernance au niveau de la population pour terminer. Est-ce que vous avez un appel euh, à lancer aux citoyens Les citoyens, chaque citoyen, c'est de faire ce qu'il peut pour s'acquitter de toutes ses, obligations. S'il y a des impôts à payer, il faut les payer. S'il y a des tâches à faire, il faut le faire. Les enseignants doivent faire l'effort pour aller enseigner les enfants du peuple. Et les syndicalistes euh, doivent revoir leurs copies. On vient de faire la rentrée. Euh, au niveau du secondaire, mais le premier jour de la rentrée, il y a un préavis de grève des scolaires. Merci, il faut donc, euh, il faut donc améliorer tout cela. Merci. Nous allons terminer avec vous, Chérif euh, Chako. Est-il possible de trouver une place honorable Que faut-il faire pour y arriver Et votre mot de la fin. Oui, il est toujours possible de trouver une place honorable. il est toujours possible de changer, mais c'est surtout de transformer. Vous savez, ce débat, ce débat, on doit le faire de façon continue. Moi, je suis pas satisfait de la manière dont on fait le débat sur l'IDH. Il y a trop de polémiques et... Non, euh, je, je vais dire, on attend la publication et, ce débat devrait être continu. Mhm. Tout à l'heure, on a parlé de gouvernance. C'est vrai, c'est pas une gouvernance pour pouvoir doiter X ou Y. C'est une gouvernance pour doiter tout le monde. Et comment est-ce qu'on peut faire autrement, comme ce que ce qui a été dit, pour pouvoir nous-mêmes nous transformer. Je vais vous donner un cas qui ne concerne pas l'État ou la gouvernance telle que c'est. Vous allez voir aujourd'hui les sommes consacrées au mariage, aux, tenues des, euh, euh, festivités, euh, des, vêtements et autres, ce ne sont pas les mêmes sommes que les ménages consacrent pour l'éducation des enfants. Mhm. Donc c'est une question de choix. De la même manière, des débats publics. Il doit y avoir des une participation des débats publics. Mhm. Des débats publics. Des débats publics doivent être continus sur ces trois aspects et surtout sur l'éducation et la santé si on veut améliorer les choix publics, les choix publics pour l'éducation et pour la santé ne sont pas toujours les meilleurs choix. Les meilleurs choix, il faut avoir le courage de le dire, les meilleurs choix qui s'exécutent durant plusieurs années. Merci à vous, euh, shérif euh, Chako. C'est la fin de ce forum du studio Kalangu intitulé Le classement du PNUD sur euh, l'indice de développement humain IDH. Comment expliquer le retard du Niger et les leçons à tirer. Nous comprenons que beaucoup d'efforts sont fournis et cet indice a beaucoup évolué, donc il y a eu des améliorations en ce qui concerne les conditions de vie, mais beaucoup reste toujours à faire, d'où cet appel avec euh, lequel euh, a terminé Shérif Chaco économiste, qui consiste euh, à présenter davantage les critères, les facteurs dominants afin que des solutions idoines soient trouvées par tous. Merci de nous avoir euh, suivis. Nous étions en compagnie de Shérif Chako, économiste, euh, Malam Issa Rabiou, acteur de la société civile chargé de programme à l'ONG Kodae et Mohamedou El Ajamadou, coordonnateur de l'Observatoire pour la promotion de l'éducation au Niger. Euh, Open au micro, c'était Michel Deji. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, vendredi, à la même heure pour le Forum de la presse. D'ici là, passez une excellente soirée et au revoir.